Nous réhabilité le chemin de fer honorable député bu Thiès bi chemin de fer Dakar Tambacounda transport aérien yi jarul ma ciy xuus torop AIBD Air Sénégal destination yokk ci 24 26 nous ñu ngi finaliser tous les autres aéroports régionaux loolu nag dugg nañ ci industrialisation bi wax ngeen ko point bu am solo la ñu ngi ko bàyyi xel bu baax baax agropole sud ak centre yi nga xam ne dafay démarrer ñu ngi préparer agropole nord ak ouest infrastructure sportive yi moom ku xool stade du Sénégal maître Ablaye Wade rek xam ne secteur boobu def nañ fa lu mucc ayib ba nga xam véritablement fi ñu jëm nag moy ben programme bu am importance pour Sénégal yëpp nga xam département yëpp dinañ mëna a réhabiliter stade légui nak dina bax ñu ñëw nak ci ñettel bi autosuffisance alimentaire bi wax nañ jéego yiñ def ci production agricole ak jéego yiñ def yëpp ci production arachidière ak yooyu mais fi ñu jëm amna solo tor parce que wax nañ ko fi Pourtant, la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui couvrira la période 2024-2029 a fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les acteurs de la vie économique nationale. Et in fine, c'est à Djamnyadjo qu'on a présenté ça à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui l'ont approuvé. Le programme a, a solo, de développer potentiel ou agriculture moins 100 milliards yi en termes de subventions. quatrième élément bi les acquis sociaux significatifs xam nga dama croissance nous avons ko infrastructures, infrastructure nous avons rattrapage autosuffisance alimentaire nous avons ñu acquis sociaux et là Véritablement, c'est important. Dans le secteur de l'énergie, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que avec effectivement 1616 MW en 2022, aujourd'hui, on exporte à peu près 100 MW. Je pense que vous êtes revenu largement là-dessus, l'honorable député. moo électrification rurale taux d'accès bi parce que 24 plus de 60 Tu vois, ci aussi accès universel du monde, parce que effectivement aujourd'hui presque urbain on est à 98,8 et en 2025 Inch'Allah, sur la base des programmations qui sont faites dans le secteur on pourra valablement atteindre l'accès universel ci walu assainissement éducation formation ñëwaat ngeen ci daara yi wax li ñu leen jagleel 6 milliards yi nga xam président wax na ko dinañ augmenter aussi bourse yi nga xam dinañ augmenter budget bi nga xam aussi moo nekk ci cantine scolaire ci wàllu artisanat abordé nañ ko wàllu diaspora bi nag je pense que c'est important l'un des premiers acquis c'est le système politique sénégalais. Je suis très précis. Le mardi 3 janvier 2017, le nouveau voté loi vous permettre 15 députés de a hémicycle c'est un acquis important Nous, ramener, Sénégal vraiment nous nañ ko Ben, Ben. ñaar diaspora rôle

Nous nak attention particulière sur le renouvellement des passeports L'OLU, wax rapatriement dépouille mortel yi collègue affaires étrangères et sénégalais de l'extérieur allocation budgétaire dans le NUDEF. parce que le 30 juin dañuy def une situation exacte après maintenant les projections sur le second semestre nous voyons ensemble s'il y a des gaps de financement qu'on puisse les résorber, parce qu'il y a d'autres lignes budgétaires qui n'ont pas consommé la totalité des crédits. Donc, l'eau Pour la promotion économique maintenant des Sénégalais de l'extérieur, je pense que globalement, le FES va être renforcé. Il a été mobilisé 13 milliards 4, le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. Évaluation bien ngeen de ministère des affaires étrangères et ministère de l'économie dinañ ci Goubach. Il y a aussi comme li ngeen wax pris, le PAISD le programme d'appui aux initiatives de solidarité bi nga Bobou aussi aussi un programme bu am importance boo le ne FONGIP exécuté. exécuter le fonds de garantie pour l'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur fonds bobu effectivement 450 millions de lañ mais c'est pour dire que effectivement les instruments financiers en faveur de la diaspora seront amplifiés sur le triennat 2024-2026 les mesures concrètes maintenant de politique d'inclusion sociale je pense que nous, nañ ci le soutien pouvoir d'achat vie. parce que avons fait, Sénégal ci a at à défendre suspension d'impôts et de taxes pour que Ndjegi, Geno au Sénégal, nous tolle 240 milliards 4. L'eau, le concret, douane et impôts, d'un copert. N'arrête, faire que Nous avons 100 milliards pour la première fois du budget 2023 pour subventionner le prix d'arrêt. qui l'eau, le sac, qu'on ne quel n'y fait wa wa valébi si montant beau pour prévoir inshallah d'autres parce que 100 milliards mouguiti fou subvention électricité nak à carburant qui n'y a rien à dire tout presque 1331 milliards Madame, tay tay 6 kilos presque n'y a subvention 1223 francs nous avons essence, nous carburant et l'électricité aussi, nous avons subventionné. Lolo Mota, subvention est à 1331 milliards. Qui n'a dit à dire, les gens qui si ce document nous maîtriser subvention. 450 milliards de électricité. Nous avons parlé de temps, nous avons de 72 milliards. Donc 450 plus 72, budget bi réajusté pour exécuter d'ici fin d'année loolu parce que bugguñu effectivement yok. de route c'est une diminution progressive de la subvention et ça va permettre de pouvoir les utiliser dans d'autres usages alternatifs affaire engrais salaire yi engrais à semence pour la première fois effectivement définit aussi 100 milliards ci budget bi di bourse de sécurité familiale yi lu am solo la parce que fukki junne yooyu ñu New ci pour porter ko à 35 000 francs CFA par trimestre tax na mun nañ wax ne ci ñaari at yi 112 milliards lañ ci def bu ma xayma ci ñaari at yi li ma lim yëpp muy politique d'inclusion sociale bi nga xam ne moom lañ def liñ ci def mën ko retracer mu leer mu ngi toll ci 2253 milliards li ma leen limal yëpp te loolu lu concret c'est traçable budgétaire maintenant je pense qu'il y a un aspect important qui a été abordé c'est l'endettement du Sénégal je tenais vraiment à vous rassurer vous tous que le Sénégal maîtrise sa dette un des vous abordé pour nous leer ci wolof monde bi 197 pays la communauté Nations Unies reconnaît 197 pays yëpp dañ leen di classé ci catégorie jégg surendettement rek ne baaxul dañu def ben principe né en principe un pays s'endette légui nak donc pays qui dañ leen sur ci risque de surendettement dafa am faible modéré élevé et en détresse faible juromi pays presque ñoo fa né ñoñu mënuñ sax modéré ci Afrique 15 pays le Sénégal le la Nous defaat analyse de viabilité de la dette defoon nañ ko octobre yeesalaat nañ ko avril bii passé biñ ko yeesalaatee là quand même je vais parler peut-être en français le Sénégal est classé parmi les pays à risque de surendettement toujours modéré et on peut vous donner les seuils les quatre seuils les quatre seuils les indicateurs de viabilité et de liquidité de la dette. C'est l'île. En cours de la dette publique rapportée au PIB, en 2023, le Sénégal sera à 68,4%. En 2022, c'est acté, c'est 68,2%. Donc, c'est inférieur aux 70%. Valeur actuelle nette de la dette, valeur actuelle de la dette extérieure rapportée au PIB. On est à 51,3%. C'est inférieur au seuil de 55%. Valeur actuelle de la dette rapportée aux exportations, le Sénégal en 2023 est à 186,3%, inférieur au seuil de 240% et service de la dette extérieure rapportée aux exportations, on est maintenant dans des indicateurs de liquidité de la dette. La capacité du Sénégal à faire face à ces échéances à court terme. Viabilité à moyen et long terme. Sur ça, service de la dette extérieure rapporté aux exportations 2023, 19,1%, le seuil est à 21%. Les services de la dette extérieure rapportés aux recettes, 16,8%, le CI est à 23%. Vous convenez avec moi que le Sénégal présente un risque de surendettement modéré. Tous les indicateurs de viabilité de la dette et de liquidité de la dette sont respectés. Et les notations de crédit aussi sont le reflet de la solidité des fondamentaux du Sénégal. Le Sénégal est classé parmi les souverains les mieux notés en Afrique au sud du Sahara. On est troisième, après le, Botswana et l'Afrique du Sud. Voilà ces indicateurs. Il était important qu'on développe ça pour rassurer davantage le Parlement et les honorables députés sur la maîtrise de la dette du Sénégal. Maintenant, il a été beaucoup question aussi de l'IDH, l'indice de développement humain. Vous savez, l'indice de développement humain, on parle toujours du classement du Sénégal, mais ça se calcule à partir de trois critères. C'est un peu l'indice du PIB par habitant, c'est-à-dire la croissance économique par habitant, c'est l'indice de l'espérance de vie à la naissance. Et le troisième indice, c'est le niveau d'instruction. Et dans le niveau d'instruction, il y a deux tiers, il y a un poids de deux tiers sur le taux d'alphabétisation des adultes. Et un tiers seulement pour le taux de scolarisation. Jusqu'au dernier recensement, là. Vous savez, en matière de croissance économique, donc on est bon, j'ai repris toute la croissance économique du Sénégal. On est d'accord Espérance de vie, le Sénégal est bon, on est à 68 ans au Sénégal, l'un des meilleurs en Afrique aujourd'hui, espérance de vie. Là où on est faible, c'est parce qu'on n'a pas communiqué les données. C'est l'enseignement arabe et l'enseignement coranique. Et le dernier recensement va prendre en compte ces données-là pour les communiquer au système des Nations Unies. Et vous allez voir que l'indice de développement humain du Sénégal, le classement du Sénégal, va fortement évoluer. Il était important qu'on soit assez technique sur ces questions-là, parce qu'effectivement, ces revenus, on parle du Sénégal 170e sur 193 pays, Savez-vous quel est le premier C'est la Suisse, devant les États-Unis, qui sont 18e. <laughs> Pourtant, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ou bien La France est 20e. Non, c'est pour dire qu'il fallait quand même relativement tempérer cette question de l'indice du développement humain au Sénégal. D'autres aspects ont été abordés. C'est la part du budget de la défense et de la sécurité globalement dans les 7 000 milliards. On est allé jusqu'à penser qu'on est à 48% à peu près de 7 000 milliards, que le budget de la défense et de sécurité serait de 3 500 milliards. C'est vraiment c'est impossible. Je pense que c'est juste des questions de calcul. Les 7 000 milliards du budget, sa répartition c'est des données, je vais vous les communiquer, c'est là. Ça vous permettra de savoir qu'on est dans l'ordre de 6%. Donc, en lieu et place des 48%, je pense que c'est juste des questions de calcul et d'interprétation. Bon, sur les besoins de financement de 2023, je vois que le temps, comme je l'avais dit, hein, on est quasiment à quelques encablures de la fin. Il ne me reste qu'à vous remercier et encore à vous dire que Effectivement, ça a été un plaisir d'échanger avec le Parlement sur toutes ces questions économiques, budgétaires et financières. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, en octobre, à l'ouverture de la session budgétaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La discussion générale est close. Monsieur le